forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Monsieur, dame, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. C'est l'heure du forum du studio Kalangou, un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Cette émission d'information et de sensibilisation rassemble des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés au Niger à travers un réseau dynamique de 31 radios partenaires repartis dans les huit régions du pays. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook à Studio Kalangu et sur notre site internet www.studiokalangu.org. Ce soir, le forum est consacré au blog définition, utilité, l'usage fait par les jeunes activistes appelés blogueurs. Selon Larousse, le blog est un site web sur lequel un internaute tient une chronique personnelle ou consacrée à un sujet particulier. Avec nos invités donc ce soir, nous allons tenter d'édifier le grand public sur la définition même du blog, l'objectif recherché par les blogueurs. Nous sommes donc avec euh, M. Seydou Gibril, il est expert en communication. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous recevons également dans ce studio M. Mamman Malamboukar, Ousmane Mamoudou et Ajigana, tous euh, des jeunes activistes qui ont suivi une formation sur les différents aspects du bloc. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être venus. Monsieur, dames, euh, bonsoir. Merci de rester en compagnie des programmes du studio Kalongo. Chers invités, veuillez tout d'abord vous présenter en précisant le nom de vos blogs ou réseaux sociaux que vous utilisez. Je commence par vous, Agi. Bonsoir. Et je vous remercie vraiment d'être présent aujourd'hui au niveau de euh, la radio Studio Kalongo. Et donc, euh, je me nomme Aji Gana je suis des DIFA, donc euh, je suis le président d'une association plus connue sous le nom DIFA Shawa. Donc, euh, DIFA Shawa, c'est une association créée par nous-mêmes les jeunes, donc qui œuvrent dans le cadre de l'assainissement. En même temps, je suis euh, sur les réseaux sociaux pour laquelle j'ai eu l'occasion de participer à la formation. Le blog, le nom c'est Jeunesse au pouvoir. Merci à vous et monsieur Ousmane. bonsoir, je suis euh, ravi aussi d'être euh, parmi vous. Je suis blogueur, je viens de la région de Zender. Et euh, mon blog, si je peux donner les liens, c'est les mots du peuple pour blog.org merci également. Donc, nous, c'est Maman Malamboukar. Nous sommes le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Sander. Nous sommes également actifs sur les réseaux sociaux. Et nous avons un blog que nous animons. Le titre du blog, c'est Parlons du Niger. Monsieur Seydou Jibril. Je m'appelle Djibril Seydou. Je suis euh, journaliste, mais je travaille ces dernières euh, années euh, comme consultant, formateur dans le domaine de la communication sociale dans le domaine des projets médias aussi. Merci à vous. Et comme je le disais, aujourd'hui, nous parlerons du blog, cet outil de publication sur Internet destiné au grand public. Le blog est devenu un média à la portée de tous. Il ravit la vedette aux médias classiques car l'on n'a pas besoin d'être un journaliste pour l'utiliser. Aussi, ce support d'information est plus facile à utiliser et est faible à coût. Pour commencer, je donne la parole à Seydou Gibril qui fait beaucoup, fait beaucoup d'analyses sociopolitiques à travers Facebook, Twitter. Euh, vous avez aussi participé à plusieurs formations de blogueurs, dont celle des journalistes blogueurs qui ont couvert les élections générales de 2011 au Niger. Expliquez-nous c'est quoi un blog euh, Le blog, on peut dire de façon très simple que c'est une sorte de page. Vous vous rappelez à l'époque quand les technologies de l'information et de la communication n'étaient pas développées. Et pour les gens qui sont un peu plus anciens comme moi, on tenait ce qu'on appelait le cahier intime. Donc aujourd'hui, le blog apparaît comme euh, cette forme de cahier intime que l'on entretient euh, de façon virtuelle euh, au moyen donc des technologies de l'information et de la communication. C'est une sorte de site euh, personnel qu'on entretient et euh, sur, le, sur lequel on anime une chronique. Le blog est une plateforme d'expression, d'expression, euh, j'allais dire tous azimuts, parce que souvent ça permet de s'exprimer sur la gouvernance, sur les pouvoirs publics, de donner aussi son point de vue par rapport à beaucoup de choses. Plusieurs thématiques. Mais d'aborder effectivement plusieurs thématiques et ça a pris davantage d'ampleur aujourd'hui avec l'expansion des médias sociaux, des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Mhm. Les gens ont trouvé une forme euh, d'expression beaucoup plus, euh, j'allais dire soft, mais euh, qui est aussi une forme d'expression plus virale. Parce mhm. qu'aujourd'hui, avec Facebook, vous pouvez en un clic, euh, si vous écrivez quelque chose, vous pouvez rapidement euh, toucher des milliers et des milliers de, personnes. C'est mhm. pourquoi euh, peut-être c'est ce qui vous dit mhm. tout à l'heure que ce type de plateforme ravit un peu la vedette aux médias classiques, même si par ailleurs à ce mhm. niveau aussi il y a tout un débat à faire. là toujours pour continuer sur cette question du blog, qui et comment peut-on devenir blogueur il faut dire de fait que être blogueur, je pense que n'importe qui peut être blogueur. C'est d'abord euh, une question d'intérêt. C'est aussi une question euh, d'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et c'est en cela que ça devient euh, à la fois pertinent, intéressant mais aussi particulier, intéressant dans la mesure où aujourd'hui, euh, avec euh, l'expansion des smartphones, chacun peut euh, de façon instantanée s'exprimer. Pour moi, le blog, c'est vrai, c'est une sorte de site, mais même quand, par exemple, vous entretenez votre page Facebook, vous entretenez votre profil Twitter, vous êtes en train de bloguer. Et comment on devient blogueur Pour moi, on devient blogueur à partir du moment où on s'intéresse, on pense que on doit s'exprimer, on doit dire des choses, on doit écrire des choses. Et cela fait qu'aujourd'hui, presque tout le monde est potentiellement générateur d'informations, mhm. générateur de commentaires, ce qui, 20 ans plus tôt, était presque l'apanage de ce que vous appelez les médias classiques. Et donc, euh, le blog, est-ce qu'il est personnel ou bien euh, peut-on autoriser quelqu'un d'autre à faire des posts Le blog, il est, il est personnel. C'est-à-dire, quand vous avez votre propre blog, vous en êtes l'administrateur, vous en avez la police. C'est à vous de, d'accepter que peut-être quelqu'un soit administrateur comme vous, que quelqu'un ait aussi euh, le droit de, de, faire des publications euh, mais à l'origine, c'est quelque chose de personnel. Mais vous mhm. savez, même au niveau entreprise, vous avez souvent euh, des, structures qui permettent à leurs salariés, à l'intérieur du site web de l'entreprise, d'entretenir leurs blogs, qui mhm. sont des pages distinctes, effectivement, du point de vue éditorial du site web, et même au niveau de certains médias. Vous avez euh, souvent des journalistes vedettes qui entretiennent aussi des blocs et qui sont très suivis parce que, bon, vous savez, euh, par exemple, sur un site web comme celui de si on permet euh, aux journalistes de Hirondelle d'entretenir des blogs là-bas, ça donne une certaine visibilité. Mhm. Mais les opinions que vous aurez à exprimer euh, sur, sur ces blogs ne sont pas euh, a priori partagées par forcément mhm. partagées par Hirondelle. Une dernière question, j'ai vu avant de donner la parole à nos jeunes blogueurs. À quel moment le blog a-t-il fait apparition ici, et son apparition au Niger Bon, euh, à vrai dire, euh, on n'a pas encore euh, fait de recherche à proprement parler sur ça, mais disons que c'est un phénomène, entre guillemets, qui est observable depuis maintenant une dizaine d'années. Le Niger, malheureusement, fait partie des pays où le taux de pénétration en technologie de l'information et de la communication est l'un des plus faibles, sinon le plus faible. Et du coup, très peu de personnes ici ont accès à Internet. Internet qui est la voie d'accès justement à ces médias sociaux. Et disons que depuis maintenant une dizaine d'années, on constate que beaucoup de Nigériens de la diaspora comme de l'intérieur animent des blogs. Disons ces cinq dernières années, euh, le phénomène a gagné en ampleur parce que c'est la, la, parfaite illustration, ce sont ces jeunes qui sont aujourd'hui avec nous euh, dans ces studios qui nous viennent de Zender, qui nous viennent de Difa, qui mhm. nous viennent, euh, enfin, il y en a de Niamey et qui se sont appropriés euh, au moyen de ces technologies de l'information et de la communication, cette forme d'expression. Donc, c'est dire que c'est devenu euh, quelque chose de phénoménal et qui, qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui par les jeunes. Merci à vous. Alors, euh, Ousmane Mahmoud, euh, vous possédez déjà, euh, vous avez un, un blog. Rappelez-nous le nom du blog déjà. Alors, moi, mon blog, il est hébergé chez Mondoblog, une, plateforme de RFI. Et le lien, c'est du peuple.mondoblog.org. Vous dites, ça fait bien un bout de temps que vous avez déjà ce blog. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce blog effectivement, ça fait un bout de temps, enfin, pas très longtemps, pas si longtemps que ça. Ça fait à peu près 18 mois que je blogue. Et euh, ma principale motivation, c'est avant tout d'exprimer mes pensées. Vous savez, mm-hmm. avant de créer un blog, on dit qu'il vaut mieux avoir une thématique précise, une mm-hmm. seule thématique. Moi, j'ai fait le choix d'aborder plusieurs sujets. Parmi les sujets que vous abordez, vous pouvez nous citer quelques-uns Alors, euh, j'aborde des thématiques politiques, je parle beaucoup du numérique, mais aussi euh, de la société en général. Je reviendrai vers vous, Malom Boukar. Et vous avez également un blog. Euh, depuis combien de temps Mon blog euh, ne dépasse pas trois mois parce que j'ai été motivé suite à une formation que nous avons faite. le mois à mois d'octobre dernier. Donc c'est suite à cette formation que CFI, Coopération Française Internationale, nous a sélectionné, nous a amenés ici au niveau de Niamey afin de pouvoir euh, nous donner des, les nécessaires nous permettant d'animer régulièrement nos blogs. Donc, euh, oui, ce blog, il est toujours actif. Il est actif et le titre du blog, c'est parlant du nigerblog.com. Donc, euh, dans ce blog, comme son nom l'intitule, nous prenons en compte toutes les préoccupations nationales et surtout qui gangrènent la jeunesse nigérienne. Et c'est pourquoi nous avons plus de thématiques sur lesquelles nous sommes déjà en train de travailler. Nous avons déjà publié un premier article là-dessus, l'article qui parle de la génération nigérienne et la chicha. Donc euh, la jeunesse nigérienne face à la chicha. Le premier article a été déjà publié et nous avons plus l'aspect dangereux, et qu'on appelle ça euh, l'effet n'est-ce pas, secondaire négatif, du produit chicha mhm. que les jeunes sont en train d'embrasser ça et là aujourd'hui au niveau du Niger. Non, la deuxième thématique, euh, nous l'avons dédiée à la jeunesse des DIFA. Le deux ans de crise, il y a une réaction qui est en train d'être faite par, ces jeunes et qui n'ont pas le moyen d'être entendus des droits. Donc euh, nous avons pris ça en compte et nous sommes là-dessus, la deuxième thématique de notre blog. Et vous, Agi Ghana, comment vous choisissez vos thèmes euh, que vous développez, vos thèmes de discussion sur votre blog Tout comme euh, mon frère Malamboukar vient de dire, et c'est suite à la formation que moi aussi j'ai été motivé jusqu'à créer mon propre blog, donc Jeunesse au pouvoir et donc j'ai eu à faire euh, mon premier, comment dire, et mon premier publication <clears throat> et gestion des affaires euh, publiques. Donc euh, là où et, je voulais vraiment en parler, que la jeunesse devrait s'en soucier aujourd'hui et d'être civisme et patriotisme. Et aujourd'hui, nous avons l'habitude de voir dans les, années passées, les gens nous sortant pour faire des marches, que ce soit pacifique et surtout quand on parle des pacifique, mhm. ça devient violent et qu'on casse tout, on remettait tout à zéro. Et que par contre, c'est nous-mêmes et la jeunesse que nous sommes en train de donner des mauvaises images de la jeunesse. Et raison pour laquelle euh, ça m'a motivé et dans ces titres que j'ai pris, Jeunesse au pouvoir, Là, j'aimerais un peu parler vraiment globalement et, des civisme et des patriotisme au mm. niveau de la jeunesse. Merci à vous. Avec euh, tous ces mélanges de textes, de documents et éléments multimédia, vidéos, photos et audio qui sont utilisés sur les blogs, parfois même dans, euh, des vidéos en direct, c'est du gibril. Euh, peut-on qualifier le blogueur de journaliste non, je ne pense pas parce que vous un blogueur n'est pas un journaliste parce que vous savez, un journaliste, c'est quelqu'un euh, qui a soit euh, suivi une formation classique en journalisme ou quelqu'un qui euh, fait de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information son activité principale. C'est ça le, mm-hmm. la définition euh, j'allais dire, euh, du journaliste. Maintenant, le blogueur, euh, ça peut être, ça peut être le commerçant, l'épicier du coin, ça peut être l'étudiant, ça peut être l'homme politique, ça peut être monsieur tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, il y a une nuance très importante par rapport à, au statut, mais le journaliste comme le blogueur peuvent souvent être tous des générateurs d'informations. Vous savez, mhm. aujourd'hui, on parle, euh, il y a une expression, on parle de lanceurs d'alerte. Souvent, euh, ce ne sont pas les médias qui sont euh, au premier rang ou disons qui ont la primeur de certaines informations. Ça vient de, citoyens ordinaires, ça vient de blogueurs, quelqu'un qui, qui, est de passage et qui est témoin d'une scène, qu'il filme, qu'il photographie, et qu'il euh, balance sur sa page Facebook, ou euh, sur son compte Twitter ou sur son blog. Mm-hmm. Maintenant, si l'information est capitale, intéressante, euh, elle peut effectivement attirer l'attention des médias qui maintenant qui ont une autre approche parce que mm-hmm. l'approche du journaliste par rapport à un fait, par rapport à une information, elle est euh, forcément différente de l'approche euh, du citoyen lambda mm. par rapport à un événement. Oui, en tant que nouveau média, le blog, euh, quelle place, quelle place il occupe par rapport aux différents médias, sites tels que le, Facebook et autres Disons sincèrement, pas autant. Et même ailleurs, parce que les, médias, les, médias sociaux comme Facebook, sont très populaires au niveau des pas que des jeunes mais ce sont des plateformes où vous avez le maximum de personnes. Mais les blogs, quelquefois, c'est un peu élitiste aussi, parce que ça demande euh, également un peu de, comment ça demande un peu de temps, un mhm. peu d'application, etc., etc. Et puis, il y a le côté un peu technique, parce qu'il faut savoir gérer son blog, il mhm. faut savoir euh, maîtriser les outils de sécurité, les outils d'édition, etc., etc. Alors que euh, avec des médias sociaux comme Facebook, euh, c'est presque à la portée de, tout le monde. Ok. Ousmane, je reviens vers vous. outre le blog, est-ce que vous possédez d'autres comptes tels que Facebook Je possède d'autres plateformes, principalement Twitter et Facebook comment vous arrivez à gérer tous ces comptes euh, Facebook, Twitter et votre blog Comment vous arrivez à les gérer ah, la, gestion d'un blog euh, ou d'une page Facebook, c'est simple. Il faut, il n'y a pas de solution. Il faut alimenter le blog. Il faut publier des articles de manière euh, fréquente, hmm. parce que sinon, les gens ne vont pas tellement vous suivre. C'est Pareil, je pense, pour une page Facebook ou Twitter. Oui, et justement, à quelle fréquence faites-vous vos posts Sur mon blog, je publie en général euh, un blog toutes les semaines. Mais sur Twitter ou Facebook, il m'arrive de faire euh, un ou deux posts par jour. Et depuis que vous avez commencé à publier, à, animer vos, différents comptes, quelle est la portée de vos différents euh, posts que vous faites Est-ce que vous pensez que la population s'intéresse trop à vos posts ça oui, une portée positive Évidemment, bon, une portée positive, je ne sais pas, parce que je n'ai pas les moyens de mesurer l'impact de mes postes euh, sur la société en général. Mais il y a beaucoup de réactions. Quand on fait un post, euh, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, ou même dans les blogs, il y a des commentaires, il y a des retweets, il y a des gens qui likent, même si souvent les gens ne font que passer, ils likent quand même. Et la plupart qui sont ces, internautes euh, qui, interviennent sur vos blogs, est-ce que ce sont des Nigériens ou des étrangers Non, non, non, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a, vous savez, un blog, sa particularité, c'est que c'est quelque chose de très ouvert. Lorsque vous mettez en ligne un site, il peut être consulté par une personne qui se trouve à l'autre bout de la planète. Mm-hmm. Et moi, il m'est plusieurs fois euh, arrivé d'échanger avec euh, euh, des personnes qui se trouvaient en Europe, aux États-Unis. Euh, il y a quelques semaines, j'ai même reçu un colis de fans. Une personne d'Autriche m'a envoyé des bouquins et... Euh, Tout cela suite à, vos différents postes Non, oui, grâce à mon blog. J'ai plusieurs fois, je disais, eu des réactions positives. Il y a mm. des gens qui vous demandent s'ils peuvent utiliser votre contenu pour euh, euh, par exemple, euh, un, enseignant là aux États-Unis, un jour, il m'avait demandé s'il pouvait utiliser mes postes pour expliquer et à ces élèves qui étaient aux États-Unis de leur sphère là, avec toute la connexion, pour leur expliquer toute la difficulté que mhm. les Africains ont, par exemple, pour se connecter à Internet. Avez-vous un exemple d'un de vos postes qui a marqué vos internautes, qui a beaucoup touché Principalement, les postes, euh, pour moi, qui ont connu le plus de succès sont liés au numérique. Quand j'explique, par exemple, pourquoi l'accès Internet au Niger et en Afrique de manière générale est cher, plus cher qu'en Europe, alors que nous, nous sommes les pays les plus pauvres, Aujourd'hui, pour accéder à Internet au Niger, l'accès peut être plus cher, et plus cher même que dans certains pays européens, alors que eux, ils ont un niveau de vie quand même supérieur au nôtre. Et donc, pour en déduire vos postes, vous pensez qu'ils soient utiles pour tout Oui, oui, je sais que <laughs> mes postes sont utiles et c'est d'ailleurs ce qui me motive encore beaucoup plus pour continuer. Maman Malam Boukar, dites-nous comment vous arrivez à vous exprimer sur les réseaux sociaux. Quelle est la portée de vos différents oui, postes euh, Je pense que la portée d'un blog, par exemple, c'est un site web, comme l'a dit euh, mon prédécesseur. Moi, je considère ça comme un site web professionnel, dans la mesure où c'est plus ouvert que les autres réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Mhm. Mais aussi, une particularité, n'est-ce pas, du blog, par exemple, tu peux connecter ton, ton site web avec euh, Facebook et Twitter. Ce qui mm. fait que quand tu fais une publication sur, ton blog, tu n'auras pas besoin encore de prendre la même publication et publier ça sur Facebook ou Twitter, mais plutôt quand tu publies sur, euh, sur ton blog, directement ça va être connecté avec Twitter et Facebook. Donc ce qui fait que vous allez remarquer beaucoup de réactions ça et là que les internautes et les personnes qui vous suivent également sont informés de tout ce que vous faites. Donc euh, à ce niveau, je pense que le blog est tellement une activité vous permettant de vous exprimer non seulement, mais aussi euh, de capter bon nombre d'attention et d'informer les gens en temps réel par rapport à, la situation que peut-être le Niger euh, ou la génération ou les jeunes Nigériens mhm. sont en train de, de, suivre ou de vivre. Vos postes sur, sur votre blog, vous les faites euh, par jour, par semaine, par mois, quelle fréquence oui, au moins je fais deux publications par mois, au minimum. Au minimum, sinon, euh, c'est vrai, je vous, dis, je disais tout à l'heure que mon blog n'a pas fait trois mois, mhm. mais à l'époque, on était sur, euh, sur Facebook. Là, au moins, je presque chaque semaine, nous faisons des publications sur Facebook, euh, Twitter. Par exemple, quand nous avons des petites publications ou des, des points de vue à donner par rapport à une situation donnée, je, mhm. je fais généralement ça sur Twitter. Mais si c'est pour des très longs textes, Généralement, on faisait ça euh, sur, Facebook avant d'avoir mon propre blog. Mais aujourd'hui, je vous disais que euh, je fais tout sur mon blog en fonction de ma disponibilité parce que il n'y a pas que ça que nous faisons. D'autres, euh, part, nous gérons aussi des choses. Et maintenant, en fonction de, la disponibilité, nous faisons, n'est-ce pas, une publication sur, sur mon blog. J'ai mhm. fait une publication sur mon blog au moins deux fois par mois. Parlez-nous d'une de vos publications sur votre blog. Oui, la publication que je peux que vous énumérer, c'est euh, la toute dernière, tu parles euh, de la chicha. La jeunesse, je vous disais tout à l'heure, euh, face à la chicha. Et le titre de l'article est Les jeunes se brûlent à petit Voilà, donc c'est la dernière publication que j'ai faite par rapport à mon projet que je suis en train jusque-là de pouvoir un peu concrétiser parce que je n'ai pas fini. Et ce n'est qu'une partie de ce que nous avons l'envie de publier au niveau de, par rapport à ces projets. Est-ce que euh, les internautes qui vous suivent ont beaucoup réagi suite à, votre publication Oui, certainement, parce que euh, je vous disais, je vous parlais de l'avantage tout à mhm. l'heure de connecter son site web euh, aux réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Donc, quand j'ai fait la publication, surtout, j'ai beaucoup plus reçu des réactions sur Facebook parce que là, au moins, on a beaucoup d'amis et c'est pas aujourd'hui que nous sommes connectés là-dessus. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de conseils, beaucoup de soutien également, mhm. beaucoup de commentaires aussi. Il n'y a pas que de likes que les internautes font vis-à-vis de nos publications. Merci à vous, Ajgana. Vous êtes ressortissant de la région de Difa. Oui, je suis de Difa. Ok, nous savons que la région de Difa est une euh, région qui connaît une situation d'insécurité. Mhm. Euh, dites-nous comment vous, vous arrivez à vous exprimer sur les réseaux sociaux dans ce contexte d'insécurité. Et vous savez, c'était pour ça que nous avons créé euh, une association et pour un peu commencer à sortir visiblement et pratiquement. Et donc, euh, jusqu'à maintenant, créer un compte au nom de cette, euh, au nom de cette association sur Facebook. Euh, au début, j'utilise Facebook et pour moi, je pensais qu'il n'y a pas un site plus meilleur que Facebook. Et donc, c'est à travers la formation que j'ai eu à faire découverte de Twitter, l'utilisation de Twitter et blog. Et donc, à cette occasion, et à chaque moment que nous faisons nos activités, nous arrivons à parler de cela. Quand vous venez de poser la question à M. Gibril, vous disiez que est-ce que le blogueur peut remplacer le, et, journaliste. Donc, moi, je vois que comme ce qu'il vient de dire, ce n'est pas le cas. Comme au sein de la jeunesse même, et nous avons envie de s'exprimer nous-mêmes des fois. Mm. Et donc, euh, ce n'est pas à tout moment qu'on va avoir l'occasion de venir euh, au niveau de la au niveau de la radio pour mm-hmm. s'exprimer ou bien dire ce qu'on veut, mm-hmm. mais au niveau et, et, et de l'internet surtout mm-hmm. Facebook, Twitter et blog, on peut publier ce qu'on a envie de, de dire, ce qu'on a envie de s'exprimer. Votre blog, vous dites, il a déjà combien de mois et à peu près trois mois. En trois mois, est-ce que vous avez déjà eu à faire un poste euh, sur votre blog Oui, oui, j'ai eu à faire. Euh, c'est quoi la thématique La thématique, comme je le disais, c'est gestion des affaires euh, publiques. Et, mhm. j'ai eu à faire un article sur gestion des affaires publiques. Qui parle en profondeur. Qui parle en profondeur, donc là où je, je voulais dire la jeunesse, on doit se réveiller et croire en nous et donner de l'avant parce que aujourd'hui la jeunesse euh, c'est pas que tout le temps nous arrivons à dire qu'on nous a oubliés. C'est que moi je vois que c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que nos autorités ou bien nos leaders arrivent à nous oublier. Donc c'est le temps pour nous de se réveiller et de prendre tout ce que l'État ou bien et, d'autre part des associations des projets arrivent à à nous faire, mm-hmm. donc en compte, mm-hmm. et, d'être de civisme et de patriotisme. En trois mois de création, votre blog, est-ce qu'il euh, y, a, y a des internautes qui visitent votre blog et qui interviennent même en trois mois de création euh, Oui, tout à fait. Et pour moi, j'ai eu quelques petits soucis avec mon blog. Mm-hmm. Donc, euh, et, j'ai je, compte de quand j'étais retourné à DIFA, donc j'ai pas eu l'occasion vraiment de me connecter et, trop sur mon blog jusqu'à ce que j'ai perdu mon, euh, euh, mon compte. Donc, euh, une fois ici à Niamey, je l'ai récupéré. Maintenant, j'ai commencé à publier. Et du coup, j'ai remarqué déjà, j'ai commencé à avoir des gens qui like et qui, mhm. qui arrivent à suivre mes publications. Et comme mes collègues viennent de dire, donc c'est une occasion vraiment là où on peut faire des publications sur ton blog et en même temps, et, et un de coup, donc nous allons voir nos publications sur Twitter et sur Facebook. continuons ce débat sur la législation française. Le site et son responsable sont considérés comme éditeurs. Cela signifie qu'ils peuvent être tenus responsables de tous les propos publiés dans les commentaires et condamnés si ces propos sont illégaux. Dès qu'il a connaissance des commentaires non conformes à la législation, supprimer les commentaires en question. Alors au Niger, même s'il n'existe pas encore des textes qui réglementent les publications sur la toile, certaines activistes ont tout de même été interpellés par les services de police comme à l'intérieur du pays. Comment s'explique euh, cela, Seydou Jibril il faut d'abord euh, <clears throat> marquer une nuance euh, entre ce qu'on appelle médias sociaux et ce qu'on appelle sites d'information. La législation française à laquelle vous faites allusion parle plutôt des sites, disons, classiques comme les sites d'information ou les sites euh, à caractère commercial. Maintenant, les pays réchignent à s'aventurer dans la législation par rapport aux médias sociaux, qui est une des formes, j'allais dire, la plus expressive de la liberté d'expression. Et même les pays qui ont les moyens ne se sont pas donc euh, aventurés à vouloir légiférer cette matière entre guillemets. Nos États constatent également que ces phénomènes prend de plus en plus d'ampleur au sein des communautés, au sein des citoyens. Maintenant, à côté, il y a justement des, disons, des garde-fous mhm. qu'il faut placer. Vous avez tantôt dit que au Niger, malgré l'absence d'une législation spécifique par rapport aux réseaux sociaux, les activistes ont eu à croiser le fer avec la police, avec la justice. C'est peut-être bien normal parce que la liberté d'expression inclut aussi la euh, responsabilité, c'est-à-dire les publications que les uns et les autres euh, arrivent à faire, que ce soit au moyen de Facebook, au moyen de Twitter, ou même au moyen de WhatsApp ou autres supports, leur incombe de faire preuve de responsabilité dans leur façon de s'exprimer. Donc il se peut que, souvent, pour des propos qui s'écartent quelque peu de la valeur républicaine, des principes démocratiques, des principes d'un État de droit que les auteurs soient interpellés. Pour autant, vous avez également des voix qui sont très loquaces, qui sont très bavardes sur ces réseaux sociaux, mhm. mais qui n'ont jamais eu de problème avec la police ou la justice. Mhm. Je crois que tout dépend du contenu qu'on produit contenu qu'on génère du contenu qu'on publie. Au Niger, il y a euh, au niveau du Conseil supérieur de la communication actuellement des travaux qui sont en cours pour doter le pays d'un texte spécifique sur, disons, la presse en ligne. Mais ça, c'est un autre aspect. Ça inclut quoi Ça inclut ce qu'on appelle les médias en ligne, que ce soit des sites d'information ou peut-être des médias comme des radios, des télévisions qui décident d'avoir une physionomie virtuelle via un site web. Mm. Ça, c'est autre chose. Mm. Mais je vous dis que l'expression via les médias sociaux fait partie, euh, si vous voulez un peu, de la même liberté qu'offrent les principes de la liberté d'expression. Et donc, cela relèverait, si on ne fait pas attention aussi, du droit commun. Donc si vous avez votre blog, vous avez votre page Facebook, soyez sûr de ce que vous êtes en train de publier, que ce n'est pas quelque chose qui soit attentatoire à l'esprit républicain, qui soit pas attentatoire à l'esprit de, de, la cohésion pacifique, etc. Mm-hmm. Et également, si vous diffamez quelqu'un à travers votre page Facebook, il peut en faire une capture d'écran et euh, vous coller un procès. Donc cela veut dire que le fait d'être sur les réseaux sociaux ne vous dispense pas d'être injusticiable devant les juridictions de droit commun. Merci à vous. Ousmane Mahmoudou, vous qui gérez euh, votre bloc depuis bien 18 mois, c'est ça oui, Est-ce que euh, vous êtes euh, déjà confronté à ce genre de contraintes, de difficultés Non, non, non. Moi, je n'ai jamais fait face à, à, une situation de contrainte liées à la publication d'un article. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est vraiment de faire beaucoup, beaucoup attention aux informations que l'on diffuse. Il faut faire des recherches, surtout quand on, euh, tient un blog à caractère politique. Il faut vraiment faire attention aux informations parce qu'il se peut que Aujourd'hui, on parle beaucoup des fake, news. Et il y a des sites spéciaux aujourd'hui, comme le Décodex, qui permettent aujourd'hui euh, de vérifier en amont une information avant de la diffuser. Oui, justement, en ce qui vous concerne, pour éviter de tomber dans ce piège des fake news, qu'est-ce que, quelles sont les mesures que vous prenez pour euh, donner vraiment des informations euh, crédibles Alors, la première chose, c'est évidemment de partir sur les sites officiels, sur les sites crédibles. Aujourd'hui, quand on parle de France 24, de RFI, ce sont déjà, c'est une marque si vous voulez. Mhm. Un site, c'est une marque. Il a une certaine crédibilité. Donc il faut avoir, quand, quand on perçoit une information, là, il faut partir sur les sites dont on est sûr qu'ils ne peuvent pas se tromper. Voilà. Est-ce que vous êtes euh, satisfait de ce que vous faites sur vos différents comptes, que ce soit le blog, le Facebook oui, bon, je, je, suis, <laughs> je suis évidemment satisfait de ce que je fais, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça permet euh, d'informer, de, de, dire son avis, qui n'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais de dire ce que l'on pense euh, à partir de certaines choses ou bien de raconter des, choses sur nos pays que quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète ne connaît pas forcément. Mal Maman Boukar, euh, qu'est-ce que cela vous procure le fait euh, d'avoir un blog ou un compte Facebook Qu'est-ce que cela vous procure comme ça Je dirais à ce niveau que ça me permet de me libérer. Mhm. Certainement, nous avons toujours des choses à dire. Et je vous disais tout à l'heure que moi, je suis secrétaire général d'une section universitaire. Et ça cadre directement dans le cadre de la logique que nous avons prise pour défendre. Et donc, euh, à travers ces blogs, vraiment pas mal de choses euh, arrivent à être exprimées par ma propre personne, notamment euh, des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur. Même mhm. si sur ce blog, je ne favorise pas beaucoup plus le côté étudiantin, mais plutôt mhm. la côté, le côté de la jeunesse nigérienne. Mais je pense que c'est une manière de me retrouver et que je me libère, n'est-ce pas euh, Ça me permet de dire ce que je pense, comme l'a dit mon prédécesseur. Il n'est pas évident que notre avis, n'est-ce pas, euh, plaise à tout le monde. Non, l'essentiel c'est de pouvoir dire ce qu'on pense par rapport à une situation donnée. Et aussi, je pense que l'essentiel également à ce niveau n'est pas d'avoir euh, d'être liké par un bon nombre de peuples mais plutôt de savoir ce que nous publions mhm. est objectif et aussi que nous sommes euh, sérieux par rapport à ce que nous, que nous n'avons aucune source douteuse. Merci à vous, Monsieur Agi. Euh, en comparant le blog à certains, aux, médias que l'on connaît, selon vous, quels sont ces avantages, les, avantages du blog, en comparant aux, autres médias mhm. Ok, donc au niveau du blog, quand on publie nos articles, donc ici, euh, c'est pas que l'administrateur vient de, de, supprimer ces articles, mais je vois que quelle qu'en soit l'année qu'il va faire, donc euh, l'article est là. La personne qui va visiter, et, il va voir l'information et même, on ne peut pas dire à temps réel, mais mhm. il verra l'information quelle qu'en soit l'année. Mhm. et, par rapport à d'autres, par exemple, quand on prend le cas de Facebook, tu publies, donc euh, il y a certaines informations qui ça passe. Par exemple, quand tu rentres dans euh, un groupe, par exemple, 15 000 Nigériens, tu publies, c'est pas facile à ce que la personne rentre et retrouve ta publication. Contrairement au niveau des blogs, que tu publies tes articles sont là et standards, et donc, euh, sauf si en question de temps. Et euh, à la création même de ce bloc, vous dites c'est suite à une formation que vous avez suivie, mhm, mhm. mais vous avez des objectifs euh, derrière cette euh, création même en tant que telle. Quels étaient vos objectifs Tout à fait, tout à fait. Donc, par exemple, nous faisons des activités et nous arrivons à recevoir des informations des fois dont on a envie de partager. Et cette information, on peut le partager et ça peut même dépasser au-delà des pays africains aller jusqu'en Europe et toucher d'autres personnes aussi qui vont voir euh, et, euh, voilà à tel endroit l'information qui a été venue mhm. et qui nous parvient. Et, et vous voyez donc c'est un avantage, c'est un avantage donc euh, et, plus généreux. Oui, à la date d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vos objectifs là sont en train d'être atteints? Tout à fait, exactement, parce mhm. que nous sommes tout le temps encouragés, tout le temps suivis et par des personnes et à chaque moment nous, nous ne faisons qu'acquérir des connaissances parce que chaque jour que Dieu fait et quand tu publies, il y a des gens qui arrivent à visiter et on partage des connaissances, comme mon collègue vient de dire. Et on peut même euh, à s'entretenir avec d'autres personnes qu'on n'a jamais imaginé l'occasion même de le reconnaître. Donc, euh, ça nous a vraiment donné beaucoup d'avantages et beaucoup de liens qu'on a eu avec nos autres frères et Oui, une dernière question. Qu'est-ce que vous faites euh, Est-ce que vous suivez d'autres formations pour renforcer davantage vos capacités en tant qu'activiste sur les médias Bon, ça, et au niveau des médias, ça c'est pour la première fois. Mais pour renforcer, pour euh, question de renforcement de capacité, j'ai reçu plusieurs formations. Donc euh, ça aussi, c'est dans le cadre des différentes thématiques. Et voilà ce qui est merveilleux. Ousmane, de votre côté, euh, pour renforcer davantage vos capacités, pour gérer un blog, un compte, est-ce que vous recevez une formation Moi, c'est la deuxième formation à laquelle j'assiste. J'ai été formé par euh, Mondoblog, une structure de RFI. Et là, la deuxième fois, c'est. Sinon, euh, moi, bien avant mes formations, je voulais avoir un blog. Donc, moi, j'ai très tôt commencé à suivre divers tutoriels aujourd'hui avec Internet. Vous avez tous les outils qu'il faut. Vous avez des sites qui proposent des cours gratuitement. Enfin, mm-hmm. c'est vraiment. Si vous avez envie de bloguer, aujourd'hui, vous avez tous les outils qu'il faut. Vous n'avez pas forcément besoin d'une formation. Ceci étant, une formation est toujours utile, même si il y a toujours des choses que vous allez apprendre. Il y a toujours de nouveaux outils mhm. qui vont euh, voir le jour et dont vous aurez besoin peut-être d'avoir la connaissance qu'il faut pour les utiliser correctement. Et pour finir avec vous, comment faire en sorte que les Nigériens s'intéressent davantage au blog Bon, moi je pense que s'intéresser au blog, c'est d'abord avoir envie de s'exprimer. Mhm. Aujourd'hui au Niger, quand on regarde tous les jeunes, l'essentiel en tout cas des jeunes ont une fada, un groupe dans lequel ils s'expriment. Donc, euh, que ce soit devant chez eux, assis sous un arbre, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp. Maintenant, l'utilité d'avoir un blog dépend de la personne. Il faut tenir un blog, c'est investir du temps, c'est vraiment passer à un niveau supérieur. Et ça, je pense que euh, c'est la personne euh, avant tout qui doit décider. Malam Maman Boukar, euh, depuis votre première formation à, la suite de laquelle vous avez eu à créer un compte, euh, un blog, est-ce que vous avez euh, eu à suivre une autre formation pour renforcer vos capacités davantage Je pense que nous sommes actuellement à Niamey dans le cadre de la deuxième, de la finalisation de mhm. la formation que nous avons commencé pour avoir des expériences par rapport au, à un site web, euh, notamment créer son propre blog. Mais je pense que je ne suis pas étranger dans ce domaine parce que euh, moi, par exemple, à l'Université des Andes, dans mon département, j'ai déjà deux ans d'expérience au niveau de, de, la formation en communication. Donc, euh, je pense que c'est vrai sur le plan informatique, il y a eu beaucoup de connaissances, on a eu beaucoup de, n'est-ce pas, beaucoup d'avantages, beaucoup d'éclaircissements sur comment faire, comment faire des bonnes, très bonnes publications et consorts. Sinon, sur le plan communicationnel, je pense que nous ne sommes pas étrangers totalement dans ça. Nous avons quelques ADC nous permettant déjà euh, d'amorcer n'est-ce pas, euh, ce, domaine, notamment euh, le domaine des médias, et faire des publications. Un conseil pour les jeunes Nigériens pour s'intéresser aux médias sociaux, aux blogs, tout ça Oui, je conseille surtout les, jeunes, les jeunes qui ont envie d'être entendus ont envie d'être écoutés par bon nombre de publics. Je pense qu'il ne serait pas utile de se limiter au niveau de la FADA, comme l'a dit mon prédécesseur, de, de sa FADA ou d'un couloir ou dans son coin, mais plutôt il faut s'élargir, il faut mhm. s'ouvrir et avoir euh, un réseau social. Merci à vous et Agi, votre dernier mot, vous avez un appel à lancer pour mhm. les jeunes <coughs> Merci, je pense que déjà ils ont tout dit, mhm. mais vraiment c'est que les gens se motivent. C'est la raison pour laquelle je disais que et on doit dénoncer, nous devons s'exprimer aussi. Et envie de dire, et cela demande effectivement des professionnalisme et des moyens, mais certainement pour dire aussi euh, aujourd'hui voilà l'opportunité avec le réseau avec la connexion qui nous permettait donc euh, de se connecter et de partager des informations aujourd'hui mhm. ça ne sert à rien de venir autour de vous même de partager des informations très importantes ou d'autres peut pas en bénéficier. Donc euh, vraiment, j'invite euh, la jeunesse à se jeter dans et, ou bien et de nous rejoindre et de nous rejoindre au niveau des blocs là pour euh, qu'on puisse donc améliorer et commencer à s'exprimer davantage. Merci à vous, Seydou Gibril, pour clôturer. je pense que toute forme d'expression doit également être synonyme de responsabilité. On a l'habitude de le dire dans les formations des journalistes. On leur dit euh, le pendant de la liberté d'expression, c'est la responsabilité. Donc je pense que dans tous les domaines de la vie, tout ce qu'on entreprend de faire, il faut le faire avec euh, beaucoup dentre beaucoup de dextérité, beaucoup d'investissement mais aussi et surtout beaucoup de responsabilités. Mhm. sachant euh, raison garder, euh, sachant quoi publier, sachant quoi filmer, sachant quoi dire. Et je pense que euh, lorsque un citoyen s'exprime, il doit avoir en tête qu'il s'exprime dans le cadre, dans un cadre bien réglementé et qu'il y a quand même des questions souvent, euh, j'allais dire, sensibles, dont il faut mesurer euh, la portée avant euh, souvent de les aborder. Donc les médias sociaux, de mon point de vue, ne sont pas venus mettre le citoyen dans une sorte de, posture de, de non-loi, de, de, outlaw, comme on dit en anglais, mais ils sont là pour permettre aux citoyens davantage s'exprimer, davantage euh, renforcer son, son réseau, mais en toute responsabilité. Merci à vous et c'est ici que se referme euh, le forum de ce soir. Nous étions avec euh, Seydou Jibé, l'expert en communication, Monsieur Malam Maman Boukar, Ousmane Mamoudou, Ajigana, trois jeunes blogueurs. Merci d'être restés à l'écoute du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain à 18h15 avec une autre thématique. Au revoir.